moment est venu d'accueillir celui que nous attendons que nous doon xaar borom bés bi ah, duduka omu kutiyomti kulinomu umukonemi duduka duduka la ring ring place bombaya duduka la solution duduka l'enfant béni de la Casamance ana Casamance

diko sante bu bare bare bare bare mom Doudou ndax bi mu ñëwee dafa fekk ñu bare ñu toog toog décourager mu fas yéene yëkkati né kay kaay leen ñu àndaat jappalé le président de la république créé walé mouvement kon nak ñun képp ko xamné bëgg na président té mu koy ligéyal dañuy ànd ak moom liggéey ci jamm ak salam Doudou est un homme d'État Doudou est dans le cœur des Ziguinchorois ñun nag ku jóg pour liggéeyal président Macky Sall ak fu mu mënta nekk dañuy jóg pour ànd ak yow Doudou dafa jóg parce que dafa gis ni président mu ngi liggéeyal Casamance président de la république def na fi ay réalisation may fàttali président de la république ci boppam son excellence monsieur Macky Sall ca audience ba ñu amoon ma ni ko président ñu ndey nous, les lay ñaan nga la liberté de choisir notre leader c'est Doudouka. président vous en avez le droit mais nous n'avons pas tort de vous avoir choisi Doudou Nous avons la possibilité de Adéane ñëw fii ba heure bii te président de la république Macky Sall parce que euh, si commune Adéane village depuis 30 ans d'existence nous avons ñibbi seen parce que nous. avons jàmm loolu kenn rek qui président de la république Macky Sall. Mangi ngi jël le député maire Abdoulaye Balde le grand frère Doudouka parce que comme nous avons dit, lii déclic la déclic gannaaw bu poussière bi jógee pënd bi wàcc yow yaa oote famille bi nga xam ni bu ànd ak président Macky Sall ñu daje fi ñun ñi nga xam ni dañu ànd si gannaaw président Macky Sall nañu gën a bennoo bis bi dafa am borom te comme ni koy waxee bés du tuuti borom lay tollool te borom bés boobu di kan di sama xarit di sama wóllëre di sama nitu démb di sama dëkkandoor fii si Ziguinchor di se Doudou Ka mi tok ma ñaan ngeen tàcc ko Doudou Ka bravo et félicitations pour cette excellente mobilisation waye bu lolu wesso je voudrais demander à tous les leaders de Ziguinchor je voudrais demander à toute la population de Ziguinchor de la Casamance de ne surtout pas se tromper de combat de ne surtout pas perdre de vue les enjeux. Mais ensemble, Doudou, avec toutes les forces vives de la nation, nous allons nous souder, nous allons nous unir derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour un meilleur devenir pour la Casamance, pour un meilleur devenir pour le Sénégal. Des gens les plus reculés, zadis oublié des régimes précédents. Monsieur le Président de la République a redonné le sourire. Les ne كي جوغ دي واخ مو ليغي كوي جوغ دي ساغا موي ليغي كوي يا فتنه موي ليغي كو بغا ياك سنغال مو ليغي بونو كين ناخ بونو كين ناخ الحمد لله رب العالمين كين دسول تاي تي كازاماس داجال لين لو ملني كو امول سانس دو بارتاج مونوكو داجال فيت لو اوب 300 امام def ci histoire Casamance population de Ziguinchor de la Casamance, du Sénégal et de la diaspora. Je vous salue dans toutes les langues de la Casamance. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, comme en témoigne votre grande mobilisation et cette ambiance colorée des grands jours, c'est le Sénégal dans sa grande diversité, qui se retrouve ici, à la place Bambaya, pour célébrer le premier congrès de la coalition Dogou pour le Grand Sénégal. Vous êtes venus de toutes les localités de la Casamance. C'est une occasion pour célébrer la rencontre de la Casamance naturelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour les nombreux investissements réalisés dans la Casamance naturelle. En répondant à notre appel républicain, vous me donnez le courage de réaffirmer que la Casamance n'est pas orpheline de leaders politiques et de grands leaders politiques. Comme d'habitude, je vais continuer à réunir, comme vous me l'avez demandé, les leaders de la majorité présidentielle, des maires, des responsables politiques, des cadres, des universitaires, des membres de la diaspora dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président Macky Sall. Notre région ne saurait être le laboratoire pour des vendeurs d'illusions. Nous disons non, nous disons non, non, non. Nous proposons une nouvelle voie, une voie que nous inspire la démarche de son Excellence le Président Macky Sall, la voie de l'espérance, la voie du progrès, la voie du développement et la voie de la paix. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer à sa juste valeur le lâcher de colombe auquel je viens de prendre part ce matin à la place Aline Sitoye Diata, une cérémonie organisée par les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance. Cette mobilisation exceptionnelle m'offre l'agréable occasion de renouveler mon attachement à la personne du président Macky Sall. Je n'ai pas les mots pour le remercier de la confiance en ma personne pour servir le Sénégal à ses côtés c'est aussi le lieu de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour cette belle région de la Casamance. Vive le président Macky Sall pour avoir enfin permis la construction du pont de la Sénégambie qui était une demande de toute la population de la Casamance. Vive le président Macky Sall pour son ambitieux programme de reconstruction de la route Sénoban-Spac. Vive le président Macky Sall pour ses efforts continus en faveur du désenclavement aérien. Et aujourd'hui, il a confié l'aéroport international du Sénégal à deux fils de la Casamance, deux jeunes de la Casamance, Doudouka et Ansou Vive le président Macky Sall pour la réalisation de la boucle du Blouf, du budget, la construction en cours du pont de Marsassoum. Le président Macky Sall pour avoir baptisé le premier avion acheté par l'État du Sénégal, pour l'avoir baptisé la Casa Casamance. par votre mobilisation sans équivoque, vous venez de sceller avec notre coalition Dogour pour le Grand Sénégal un pacte de confiance et d'engagement pour la construction du Grand Sénégal. Je veux vous voir Dogou pour la paix. Je veux vous voir Dogou pour l'émergence du Sénégal. Je veux vous voir Dogou pour le développement de la Casamance. D'ores et déjà, chers amis jeunes, nous avons mis en place une plateforme digitale pour recenser l'ensemble des demandeurs d'emploi à qui nous demandons juste de soumettre leur profil et qu'ils puissent suivre avec nous leur employabilité. Doudouka est un fils de la Casamance qui, par sa lignée maternelle et paternelle, se réclame à la fois de Cabrousse, de Jack Wolof, de Moulomp, de Kenyout, de Ziguinchor, de Adeyan, de Bessir, de Djilakoun, de Sibukroto, de Manganglot. Au-delà de la Casamance, Doudouka est un peul du Ndoukouman, du Toro, Anyam Siwon, un pôle du Fouta Djalon, Horefello Mama Ali. Pour terminer mon propos, je voudrais m'adresser directement à la jeunesse de mon pays. Dans son discours du 3 avril dernier, le président Macky Sall a parlé à la jeunesse de son pays, a répondu très favorablement à sa demande. L'emploi des jeunes est devenu une surpriorité du plan Sénégal émergent. Je voudrais, avec votre autorisation, renouveler ma fidélité la fidélité de la Casamance à son Excellence le Président Macky Sall. Ce président visionnaire qui pourra compter sur le soutien indéfectible des fils de la Casamance pour parachever son ambition pour le Sénégal.